le forum du studio le forum du forum, Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou studio bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. C'est l'heure du Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour décortiquer l'actualité. Au menu du Forum de ce soir, encore et toujours, les acteurs de la société civile avec leur journée d'action citoyenne interdite ça et là par les autorités régionales. Pour les acteurs de Niamey, ils ont décidé cette fois-ci de faire leur meeting ce vendredi après la prière collective à la place de la concertation. Autre sujet d'actualité, c'est cette crise qui ne finit pas dans le monde scolaire et universitaire avec le mot d'ordre des grèves illimitées lancé par l'USN et les arrestations d'élèves bien, aussi bien à qu'à l'intérieur du pays. Et puis, il y a le classement des Reporters sans frontières qui est sorti cette semaine. Le Niger est classé 103e. Il recule de deux points par rapport au classement de 2017. Pour en discuter, nous avons invité nos confrères Issa Morumadoukou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Mamadou. Et Rufai Dandoua avec nous, journaliste indépendant. Bonsoir Rufai. Bonsoir. Nous attendons des moment, à l'autre Armi Yabakiari, qui est journaliste à la radio alternative. Présentation de cette émission à Lassan Kouzi Mohamed. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 26 avril 2018. Nous débutons ce forum par la crise qui ne finit pas dans le monde scolaire et universitaire. La situation continue de se dégrader depuis l'annonce du mot d'ordre de grève illimitée lancé par l'Union des scolaires nigériens. Plusieurs arrestations ont été opérées dans les rangs des militants de l'ISN à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays à ce sujet. Je vous propose de suivre le point de presse, euh, le point euh, de ces arrestations, donc avec Ibrahim Moukela, qui est secrétaire général adjoint du comité directeur de l'ISN. Il est au micro de Tarnan Fouda Ahmed. En ce qui concerne Niamey, ce matin, le délégué général adjoint de la faculté des sciences de la santé, un étudiant de la première année études pharmaceutiques et le délégué de la section M4 ont été arrêtés. Au niveau des écoles personnelles, le secrétaire chargé aux relations extérieures et partenariats a été arrêté, suivi de certains secrétaire général des sous-sections. Maintenant, parmi la base aussi, il y a certains camarades qui sont aux arrêts, soit sont actuellement à la PJ. Au niveau de la section lycée collège, là, il y en a eu beaucoup d'arrêts. Hein. Ça, vraiment, je n'ai pas les nombres. Mais de tous les deux côtés, quand on fait la somme, lycée collège personnel, on peut attendre les vingtaines. Maintenant, à l'intérieur du pays, le secrétaire général de la section professionnelle de Tawa a été arrêté hier aux environs de 23 heures. Au niveau de Keita, au niveau de Mia, au niveau de Tantip, il y a des camarades qui sont aux arrêts. Maintenant, au niveau du Maradi Zender, on me parle d'une cinquantaine. au niveau de la région d'Agadez, il y a deux de nos camarades qui sont aux arrêts. Voilà un peu la situation provisoire des arrêtés actuellement. Vous venez donc de suivre Ibrahim Moukela, secrétaire général adjoint du comité directeur de l'ISN. Il était au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Alors, euh, je m'en vais commencer tout de suite avec vous, euh, Issa Mourmadou. Malgré toutes les professions de foi, euh, voici que la crise devient difficile à gérer. Quelle est votre analyse de cette situation alarmante Merci. Je crois bien que Mourmadou, la situation actuelle de l'école nigérienne doit nous interpeller tous. Le sort réservé à des élèves, des apprenants, des enfants, il ne faut pas oublier aussi, ce sont des enfants des pères de famille imposent un traitement de terroriste, moi je pense que cette situation doit nous interpeller. Il faut comprendre une chose que dans un pays, quand l'école ne marche pas, on ne peut pas aspirer à un développement. Aujourd'hui, cette crise a fini par donner raison à plusieurs observateurs dès le départ, mmh. qui ont déjà émis des réserves par rapport à la position du gouvernement. C'est comme si le gouvernement ne cherche pas à trouver une solution durable pour mettre fin définitivement à cette crise. Ça a commencé avec l'université de Niamey. Mais les autres scolaires ne peuvent pas rester à marge et regarder euh, face au traitement qui a été réservé aux euh, étudiants de l'université de Niamey aujourd'hui dont le campus est fermé, militarisé. Euh, vous voyez les conditions dans lesquelles on veut que ces étudiants, ces futurs cadres nigériens puissent être formés. Ce n'est pas du tout possible. Ils ont, je pense que c'est d'un problème banal où on est arrivé à un génocide carrément du système éducatif. Et vous voyez à l'allure où les choses sont en train de se passer. On procède à une série d'assassinations. C'est comme si on veut décapiter la tête de l'ISN arrêter tous les leaders, faire taire la contestation. Et moi, je pense que ce n'est pas euh, par cette voie qu'on puisse trouver une solution. Nous ne sommes pas dans un état de guerre. ces élèves, ces scolaires ne, ne constituent à rien à une menace euh, euh, de la sécurité intérieure du pays, qu'on puisse aujourd'hui réserver un traitement. On dirait que ce sont des combattants de Boko Haram. Et oh, l'État martèle, martèle que les dates des examens seront maintenues. Nous soyons sérieux. Là où il n'y a pas cours, avec quoi, sur quel bagage on va se baser pour aller à ces examens. Quel est le programme qui a été, quel est le niveau Nous, c'était le premier trimestre qui a été qui n'a pas connu assez de perturbations. Depuis janvier à aujourd'hui, vous pouvez me dire le volume d'heures qui a été fait. Ça ne dépasse même pas deux semaines de cours qu'il y a eu dans l'école publique. Mais coûte que coûte, comme si on sent que toutes les promesses que ce gouvernement a fait aux Nigériens lors des élections par rapport au système éducatif, l'école obligatoire, la qualité, tous ces ateliers, tous ces forums, c'est comme si c'est de la poudre aux yeux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette situation doit nous interpeller. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, c'est toute la société nigérienne qui est interpellée. Il faut que l'État mette de l'eau dans son vin pour qu'on puisse vraiment dans un cadre consensuel, trouver la solution idoine à ce problème. Ce n'est pas par les arrestations que pouvait vraiment trouver la solution. Euh, Rufai Dandoua, comment vous, vous analysez cette, vague d'arrestations de, scolaires vous savez quoi Moi, je pense qu'il faut faire une analyse approfondie de la situation euh, de l'école nigérienne ou du, ou du syndicalisme au, au Niger. je retourne juste euh, à la conférence nationale ou bien avant la conférence et la lutte euh, estudiantine qui avait été à l'avant-garde de l'avènement de la conférence et plus tard de la démocratie. Et c'est tout ce processus qui, jusqu'à aujourd'hui, tient bon et à l'USN et on se rend compte que toutes les luttes qui ont été menées ou tous les bureaux qui ont été à un moment ou un autre de l'histoire l'ont été grâce à l'appui des hommes politiques quand vous regardez ou quand vous analysez en profondeur, vous vous rendez compte que tous les leaders étudiantins ou presque tous à presque près 90% bénéficient, vous voulez dire, sont, du, soutien des, Ce sont des hommes politiques. Récemment, on, a vu des gens qui ont fait, qui sont dans les bureaux des partis politiques, des gens qui ont avoué que eux, ils sont dans un tel ou tel parti politique, c'est qu'ils l'ont été aussi avant et sûrement qu'ils ont été financés pour faire cette lutte. Et on sait que lorsque tu as été financé par eh, un parti politique, c'est qu'on te dicte des choses et tu casses le mouvement. Récemment, si vous vous rappelez, c'est avant-hier, je crois que le bureau, que la justice a donné raison ah, au bureau actuel de l'USN. à Agadez, on sait ce qui s'était passé, on sait qui a soutenu qui, qui n'a pas soutenu qui, combien on a donné à telle ou telle autre personne, tel mm. autre candidat, mm. des gens qui ne méritent moi, je me rappelle quand on était à l'université de Niamey, tellement que c'était bien structuré, tellement que c'était eh, quelque chose de, très eh, sérieux. À peine vous, voyez les responsables syndicaux, ils sont. C'est vrai, ils, avaient un pouvoir mais ils savaient aussi le canaliser, ils savaient être protégés pour que ça ne soit pas à la, à la merci de n'importe Aujourd'hui, quand vous voyez un, un SG de l'USL ou un SG de l'UNUN qui parle français, tu as envie de pleurer. Hmm. Et excusez-moi de le dire, mais c'est le cas. Le, SG sortant de l'USN, celui qui avait quitté récemment, hmm. quand vous l'entendiez parler français à l'époque, mais vous avez envie de vomir. Hmm. Et pourtant, c'est lui le leader de toute de tous les scolaires nigériens. tout ça, c'est pour, dire. Moi, je suis en train, de faire, une analyse que euh, le, mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. C'est ça la conclusion de, mm. ce que j'allais dire. Mm. Maintenant, quand vous voyez eh, la décapitation de la tête comme l'avait dit Issa. Mais ça rentre dans le même processus que celui mm. de la société civile. On arrête le mouvement, euh, on casse ou on décapite la tête, sachant que en bas, aujourd'hui, la société civile, on ne sait pas qui décide de quoi. La dernière fois, il y avait ici, eu... Euh, les leaders ne sont pas encore arrêtés. Il y avait eu des bagarres rangées. On, l'avait appris pour décider de la marche à suivre. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, qu'on arrête ou pas les, leaders estudiantins, est-ce que c'est la solution Moi, je pense que la solution, c'est le dialogue j'ai lu, ce, je crois, ce, midi ou ce soir avant, avant de sortir, hmm. un article du, docteur Sula Agi, hmm. quand il rappelait déjà à l'époque un problème banal qui aujourd'hui est en train de prendre en otage l'école nigérienne quand il y avait eu ce, banal problème avec un, un, chercheur, qui aurait été frappé par la CASO. Et à, partir de là, tout le problème est parti. C'est normal. Moi, je suis entièrement d'accord avec les étudiants qu'ils qu n'acceptent pas de retourner à l'école et après avoir envoyé cinq de leurs leaders. Ce n'est pas possible. Parce qu'un ancien chercheur qui s'est dit chercheur a été et, eh, euh, frappé après avoir sûrement provoqué les, étudiants. Ils se réunissent dans une chambre pour exclure cinq étudiants en... en, nous, allons juste... Nous, en, comment dire, en, tuant dans, leur avenir. Mais on, est dans, quel monde Moi, je ne suis, je ne suis entièrement pas d'accord avec cela et je pense qu'aujourd'hui, si l'école euh, nigérienne est à cette année quand même au-delà des autorités qui, qui, font la sorte, je pense mm. que le premier responsable, ce sont les anciens chercheurs. Mm, et il convient quand même de, rappeler, Rufai, que la grève illimitée de l'USN fait donc suite euh, aux violents affrontements euh, du mercredi 18 avril passé entre forces de l'ordre et étudiants. Euh, qu'est-ce qu'ils exigent aux justes euh, étudiants, c'est les étudiants La réponse avec Ider Al-Gabit Mamadou, micro de Tarnan Foudé Ahmed. L'USN a formulé depuis un temps des revendications à l'endroit du gouvernement du Niger réparties en sept points, dont le premier est la question de la réhabilitation des étudiants escaliers à l'Université Abdoumoun de Niamey et des douze élèves escaliers au CEJ Couron Nord de Niamey. Le deuxième point concerne la question du retrait pur et simple de l'arrêté directeur qui restreint les libertés syndicales et même les droits syndicaux. Le troisième point concerne notre rejet du protocole d'accord qui a signé entre le ministre des Enseignements supérieurs et les enseignants-chercheurs, un protocole du cœur dans lequel les intérêts des étudiants n'ont pas été pris en compte. Le quatrième point concerne notre euh, souci de voir la révision des textes portant statut de l'université Abdoumouni. Nous avons demandé la nomination d'un président du conseil de l'université et la révision d'un arrêté qui qui date de 2007 portant pouvoir euh, disciplinaire à l'égard des étudiants. Les cinquième points, c'est la question du protocole d'accord ISN-gouvernement où des engagements ont été pris depuis 21 avril 2017. La question des paiements à terme échu des bourses, aide sociale, allocation, péquille des élèves, la question des chantiers en cours et la question des bis. Nous avons un sixième point qui concerne un forum sur l'enseignement supérieur qui fera l'autopsie du monde euh, de l'enseignement supérieur. Le septième et dernier point concerne la question du rehaussement des frais du BTS d'État. Ces frais étaient 15 000 francs pour les candidats officiels et les candidats libres. Mais cette année, on a amené ça à 21 000 pour les candidats officiels et 40 000 pour les candidats libres, 80 000 pour les étrangers. Parlement où on augmente les frais de dépôt de dossier, on supprime deux centres, celui de Tawa et des Anders. Est-ce que parmi tous ces points cités, il y a des points que le gouvernement a satisfaits le gouvernement n'a satisfait aucun de ces points. Même pour ce qui concerne les allocations, les bourses et l'aide sociale Par rapport aux bourses et allocations et même l'aide sociale, le gouvernement a pris des engagements qu'il n'est pas en train d'honorer. Aujourd'hui, on est en train de payer de manière très lente des bourses en compte de la bourse du premier trimestre. Et même ça, jusque-là, les nouveaux bacheliers n'ont touché aucune bourse et nous sommes en avril, au moment où on devrait payer la deuxième bourse. C'est maintenant on est en train de faire un paiement interrompu de la bourse du premier trimestre. Ça, les nouveaux bacheliers et ça, les étudiants qui font le master 2. La question de l'aide sociale, c'est maintenant la, réception des dossiers. Les allocations, c'est les huit régions qui comptent les pays. On a engagé quatre régions, on a laissé quatre régions pour des problèmes de finances, comme ils le disent. Pour nous, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, en tout cas, sur les huit régions, engager quatre et laisser quatre pour un problème d'argent. Ça ne peut pas se justifier. Malgré la trêve que l'ISN a observée pour donner chance à toutes ces négociations et même mettre à l'épreuve la bonne foi du gouvernement, c'est toujours euh, les mêmes problèmes qui est constaté. Euh, vous venez donc euh, de suivre Ider Al-Gabit, donc c'est le, comité directeur de l'USN, Roufaï Dandoua. Est-ce que vous, trouvez ces revendications réalistes ou pas, surtout qu'elles s'accumulent d'année en année Quand vous entendez les revendications des étudiants, ça a toujours été les mêmes. On reste toujours au stade du ventre jusqu'à depuis au moment où dans d'autres pays on réclame des ordinateurs, on réclame eh, eh, eh, la connexion au débit à l'université où il faut qu'on soit au même niveau que des universités à Chaque fois nous au Niger, c'est les bus, c'est le restaurant, c'est les bourses, les bourses Regardez-moi quand vous, quand vous entendez ces, ces, revendications. Nulle part, je n'ai entendu là où il parle des, cinq étudiants qui ont été exclus. Hmm. Or, ils n'ont pas besoin d'attendre euh, le mouvement qui, a eu lieu euh, récemment où il y avait eu des casses pour lancer le mot de, grève illimitée. Non, rien que le fait d'avoir exclu les cinq étudiants hmm. de manière euh, injuste suffit seulement pour dire que non, on n'est pas d'accord. Mmh. Cela prouve ce que j'avais dit, que on dit par exemple l'USN est soutenu par tel camp, l'UNUN est soutenu par tel autre camp, hmm. et même entre eux il y a un problème, cela prouve aussi que même dans les revendications on ne progresse jamais. Aujourd'hui on revient on oublie un problème qui est la majeur, l'exclusion du. Aussi, ça a été dit, hein. ça a été évoqué. Il faut, bien écouter, mais ce n'est pas, ce n'est pas bien développé. Le SG de l'UNUN qui a été exclu juste parce qu'un ancien aurait été frappé. Au lieu d'ouvrir une enquête pour savoir tout ce qui s'est passé, on lui dit non, non, ils sont cinq à être exclus de, l'école. Mais arrêtez. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui doit être. Pour euh, vous, l'exclusion, le simple fait d'exclure cinq étudiants euh, Tout ça ça, va faire, suffisant. Ça va Si aujourd'hui on exclut 5 étudiants, demain on va encore exclure d'autres et ça va être la même chose. Et ça, et ça Mormadou, comment trouvez-vous ces, revendications des, étudiants et des scolaires de, de façon générale Oui, avant d'arriver là, il faut parler du goutte d'eau qui a débordé, qui a débordé la vase. Ça dit l'exclusion, c'est un abus de la part des enseignants et chercheurs. Et ce qui est aberrant, c'est que la majorité parmi eux qui sont leaders aujourd'hui de leur syndicat ont été des leaders de l'USN ou bien des Lyonoun, qui aujourd'hui traitent des enseignants et traitent des étudiants de la CASO, euh, des de, de, terroristes, de milices aujourd'hui, qui ont été aussi dans les grâces de la CASO. Parce que sans la CASO, ils n'auront pas la chance de bien conduire leur mission. C'est ce qui est malheureux. Moi, je pense qu'il faut que le Nigérian aujourd'hui ne se limite pas seulement au présent. Il faut qu'il se base sur les faits passés pour bien construire son présent et se projeter dans l'avenir. Ces revendications, ce n'est pas maintenant qu'il faut les faire. Moi, je suis entièrement d'accord. Le réalisme. Oui, mais écoutez, ils, n'ont pas le choix aujourd'hui. Quand un ministre chargé de l'enseignement supérieur sort à la télé pour dire que nous allons assainir l'université, mais attendez, vous allez assainir quoi Qu'est-ce qui se passe là-bas de quoi de plus inquiétant assainir l'université. Regardez les mots qu'il a étudiés. Cette milice, il a traité la CASO de milice. C'est comme si la CASO ou bien l'Union est au service de quelqu'un. Quand on est milice, c'est on défend des idéaux ou bien on est téléguidé par une personne ou bien un groupe de personnes. Ça, il faut qu'on s'arrête. Il faut que quand on est responsable, il faut mesurer comment on appelle ces paroles. Troisièmement, pour finir, mhm. voilà, nous nous trouvons dans une situation où on prend, par exemple, je prends le simple fait de militariser euh, euh, le campus. Et que, quand on se conforme aussi aux dernier communiqués du gouverneur, où il prévoit d'amener la force publique au niveau de certains établissements. Euh, pour, permettre, de reprendre les cours. On n'est pas en guerre à Niamey. Mais ce qui est plus surprenant, vous allez prendre des forces de l'ordre pendant que, quand vous prenez par exemple, on a offert les, principales routes qui mènent, qui mènent à Niamey en, venant des autres régions. Sur les grandes voies, il y a beaucoup de, de, postes de gendarmes qu'on a, on a, on a, on a supprimés. Vous laissez la, crème, euh, la porte de Niamey grandement ouverte dans un contexte d'insécurité où nous sommes assujettis à toutes les, euh, de toutes sortes d'attaques pour aller militariser les casiers des dépenses supplémentaires qui ne servent à rien, mais l'État on doit rationaliser les dépenses. Vous ne pouvez pas aujourd'hui caser des militaires là-bas provoquer des dépenses inutiles pour l'État pendant qu'on a besoin de ces hommes quelque part pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc voyez-vous que euh, on ne sent pas, on sent l'amalgame, on sent de l'à on sent de l'amatérisme dans la gestion. Et je vous, je, pour finir, mhm. je vous assure, l'histoire nous dira plus sur tous ces hommes qui sont en train aujourd'hui de piétiner le droit de ces, de enfants, pensant qu'ils sont des êtres suprêmes. Non, ils ne sont pas des êtres suprêmes. Ah ils auront des comptes à rendre, même si pas aux Nigériens, mais à Dieu leur Créateur. Bien, euh, Arimi euh, Abba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci, euh, excusez-moi du, retard, c'était vraiment indépendant de ma volonté. Bien, bien. Et donc, vous venez de prendre ce sujet à court, notamment, on avait d'abord parlé des arrestations dans les rangs des scolaires. Ensuite, il y a cette question des revendications. Ider Al-Gabit nous en avait fait tout à l'heure une liste de quelques revendications, entre autres la réhabilitation de leurs camarades, exclut la question des bourses des bus Écoutez, euh, le problème entre e, euh, le, CD de l'USN et l'UNIN, il y a naturellement euh, un décalage. Les revendications de l'UNIN ne sont pas forcément les revendications de, de l'USN. Mais l'UNIN, n'est-ce pas, ne peut pas outrepasser euh, cette revendication de la réintégration, de la réhabilitation de leurs camarades exclus. Mhm. Je pense qu'ils seraient passés vraiment à côté de mhm. l'objectif principal qu'ils auraient pu avoir. Moi, en tant que simple citoyen, je pense qu'il y a eu un abus par rapport euh, à ses enfants. Euh, contrairement à ce que Rufai disait tout à l'heure, moi je n'ai même pas vu dans le rapport du, monsieur, du professeur, euh, de, l'enseignant-chercheur qui a fait son propre rapport où il a été physiquement agressé, mm. il aurait été verbalement agressé. Et encore, parce que la partie mm. où ils l'ont trouvé à l'université est tellement floue dans son rapport. Et même si c'est le cas, mm. moi je ne pense pas que quelqu'un, un Nigérien, enseignant-chercheur soit-il, super nigérien soit-il, mérite de bloquer l'école, mérite de bloquer l'université pendant un mois, à plus forte raison, euh, faire prendre un risque d'une année blanche. C'est parti depuis le 7 février. Mais c'est extrêmement grave. Moi, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression que les enseignants-chercheurs, en tout cas le SNEX, et euh, l'État du Niger jouent au pourrissement. Aujourd'hui, en amenant un enfant à l'école, ou euh, au, Mariama, au Kwara, mais vous avez la chair de poule. Vous déposez euh, euh, votre enfant dans un endroit où on est obligé de poster deux, trois véhicules de policiers. La dernière fois, ma, vie, ma fille me dit, c'est plein de, Leurs véhicules sont pleins de gaz lacrymogène, j'ai peur. Mais sincèrement, on est dans quel pays Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là aussi simplement qu'il possible dialogue, Moi, je pense nous l'avons, nous l'avons, dit dans ce même studio il y a un peu moins d'un an. Mhm. Quand, quand la fin de l'année est intervenue, alors qu'il y avait le problème de l'assassinat de Bagalé, on dit qu'on ne fait que reporter le problème. Mhm. Et même demain, les scolaires seront obligés parce que les conditions d'apprentissage, d'études ne sont pas réunies dans les écoles nigériennes dans son ensemble, dans leur ensemble. Il faut, il faut, il faut se le dire. Et ça, ça ne ment pas. Vous ne pouvez pas mettre des dizaines de, jeunes gens qui sont désormais conscients de leur avenir dans un vous n'avez qu'à décapiter 50%, le problème va revenir parce que le problème restera entier. Qui peut accepter qu'on ne lui paye pas sa bourse Qui peut accepter qu'il n'ait pas d'enseignant ou dormir pour aller à l'école À quoi s'attaquer À quoi s'attaquer pour le moment pour résoudre cette situation Moi, je pense qu'il faut d'abord s'asseoir de ne pas minimiser euh, les étudiants, de d'être réaliste. J'ai entendu tous les mots que tout à l'heure Madougou a, a relevé. Euh, la question de, de la CASO, qui est le campus, mais vraiment, c'est-à-dire on a l'impression que, des, que, que, nos dirigeants sont parachutés de quelque part, alors que tous ont leur trace d'être passés à l'université de Niamey. Mm. On ne vient pas à l'université seulement pour apprendre sur le banc c'est un mode de vie, le campus. Le leadership naît au campus. N'est-ce pas Qu'il y ait un, une casse aujourd'hui, on peut dissoudre. Dès demain, ils sont obligés, même si on amène l'armée pour s'occuper de leur sécurité, ils, ont ils sont obligés d'avoir un une tribunal de père qui va s'occuper de leurs problèmes que les autres ne sont pas censés comprendre. Je suis d'accord quand disait qu'on est en train de, décaler le problème, puisque les gens pensent que non, l'école publique ne marche pas, il faut amener les enfants à l'école privée. Aujourd'hui, partez au Mariama, comme il l'a dit. Quand vous partez avant à Mariama, en terminale, il y a 10, et 15 personnes, par exemple, en terminal C, et 30 en terminal D. Aujourd'hui, ils sont combien Ils sont une centaine. C'est vrai que même les enfants qui sont là-bas n'apprennent pas grand-chose parce qu'un enseignant ne pas, ne enseigner à, 100, élèves un cours, un même cours qu'il est censé enseigner à, 30, 40 C'est incroyable. Bien, nous, je le problème est entier et il faut vraiment, au-delà du dialogue, quand hmm. le dialogue vient, quand, on va faire le dialogue, il faut le, le faire de manière et on se considère d'égal à égal. égal je suis étudiant, tu enseignes, enseignant, je suis gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les, les étudiants ne représentent pas, ils ne sont rien. Même quand on vient pour... Regardez l'histoire de Bag Bagalé. On avait des promesses. On avait des promesses, à fait un an. Qu'est-ce qui s'est passé nous allons, nous allons quand même passer au, suivant sujet. Euh, donc, euh, cette, euh, la poursuite donc, par les acteurs de la société civile de leur journée d'action citoyenne qui se caractérise par des marches, meetings, sittings et prières collectives, des manifestations systématiquement interdites ça et là par les autorités régionales et suivies d'arrestations. Les derniers cas, ce sont entre autres l'arrestation mercredi dernier du coordinateur de l'association Alternative Espace Citoyen de Zender, Yahya Badamassi, et la semaine dernière de Sadat Damalam du MPCR. Pour les acteurs de Niamey, ils ont décidé cette fois-ci de faire euh, un sitting à la place de la concertation ce vendredi même, euh, après la prière collective. Euh, en tout cas, un, de nos reporters qui était parti avait trouvé que, en tout cas, ce sitting n'a pas pu avoir lieu parce que les forces de l'ordre étaient postées. Voilà bien. Et donc, euh, euh, Issa Mormadou, quel commentaire vous inspire la poursuite des arrestations et puis les interdictions fréquentes de manifestations Mais c'est la même logique. Le gouvernement vient d'ouvrir un deuxième front, à part le front sécuritaire où on entend de lutter dans le bassin de la Tchad contre. De la manière, c'est les mêmes méthodes qui sont appliquées la manière dont on est en train de lutter contre le Boko Haram, c'est de cette manière qu'on est en train de lutter contre ces étudiants et les acteurs de la société civile. Comment Comment vous, comment Mais le traitement, le lien, c'est quoi le lien Le lien, c'est le traitement et les accusations. Par exemple, en quoi aujourd'hui, quand on dit que euh, il y a un autre, il y a deux arrestations dans la semaine mm. alternative et il y a aussi un, autre, voilà. Mm. Mais lui, il dit qu'il a fait un appel à l'insurrection. Mm-hmm. C'est lui de, c'est oui, voilà. On dit qu'il a fait appel à, appel à l'insurrection. Il y a un, <laughs> lui, on l'a pas arrêté, mais il a été affecté à Belbéji. Mm. Voyez-vous, ce qu'on est en train de faire, c'est comme si c'était des Nigériens, mais c'est des Nigériens de seconde zone. Vous prenez les cas des autres qui ont été arrêtés. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à reconnaître ce pays, ce pays dont nous avons rêvé. Ce n'est pas ce pays que nous voulons pour, le les Ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Mais aujourd'hui, tant qu'on continue dans cette dynamique de restriction des libertés, de non-respect des droits, fondamentaux garantis par la Constitution, moi je pense qu'il y a péril à la demeure. Il faut que les gens se ressaisissent parce que nous n'avons que ce Niger. On, on ne va jamais finir de le dire. C'est ce Niger. Ça nous appartient. Nous avons le devoir de le protéger. Nous avons le devoir de protéger ses intérêts. Mais maintenant, s'il y a un groupe de Nigériens qui estiment qu'ils sont au-dessus des autres Nigériens, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut qu'on laisse les gens. La contestation, n'est ah. pas mauvaise tant qu'elle ne prône pas la violence. Il faut, faut qu'il y ait un choc d'idées. C'est en ce sens qu'on peut construire des sociétés dynamiques. Mais on ne peut pas construire euh, des, sociétés à sens unique. Bien, Armi Abad, qu'est-ce que vous dites de, toutes ces arrestations, ces Moi, je pense, de marche J'ai comme l'impression euh, que l'État joue au pourrissement. J'ai comme l'impression que l'État joue au pourrissement. Qu'est-ce que vous appelez ce je ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, le pouvoir opte toujours pour la calmie, pour euh, la paix sociale, comme on dit, hmm. n'est-ce pas Non, on est dans une situation où c'est l'État qui est à l'offensive, alors que ça devait être le contraire. Ils doivent pouvoir encaisser, essayer de se corriger d'être gêné qu'on leur reproche des choses. Non, on n'est plus à ça. pour un oui, pour un, euh, non, on, vous envoie la police, on, on, on prend celui-ci, on attaque. Aujourd'hui, on, arrête des enfants. Mais on est comme moi, sincèrement, peut-être le temps nous dira de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose que je ne comprend pas dans le comportement du pouvoir en place. c'est votre point de vue euh, euh, euh, Il dit au et aussi à l'évitement, hein, parce que l'État ne prend même pas en charge ce, problème. Il n'y a pas de dialogue avec la société civile. Il n'y en a pas. Ou bien non. Je vous parler du cas de Sadat. Là, il y a, avec qui on a grandi depuis le bas âge. Hmm. C'est un, un, parent à moi, on hmm. est du même village c'est un ami à moi. On a étudié dans le, au même collège, on a fait le lycée ensemble, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Oui, c'est pour vous dire. C'était l'une des rares familles à Zender qui était PNDS à l'époque. Je vous parle de, des années où la démocratie avait commencé. Hmm. À l'époque, on les voyait comme des gens, Comment tu peux être au PNDS à l'époque déjà hmm. Je vous assure, ça, je si je manque que Dieu m'attrape, me, comme on dit. Sadat défendait bec et ongle ce parti-là. Quand aujourd'hui je me rends compte que Sadat il est l'un des premiers ou farouches adversaires du pouvoir en place, je me dis qu'il faut se poser des questions. Je le connais comme ma poche, je vous dis. Donc, c'est pour vous dire. Il a dû se passer quelque, chose entre temps. A, a, dû, se passer et dont les gens ont pensé. Bien, bien évidemment, on ne peut pas. Tous les régimes successifs ont fait quelque chose l'État étant une continuité. Ça, tout le monde le sait. Mm. Mais aussi, il faut s'arrêter pour se dire qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, regardez par exemple dans le domaine de santé. Ça ne va pas quand tu parles à l'hôpital, rien que le sparadrap, il faut acheter. Mm. Ne parle même pas de, des autres médicaments. À l'école, aujourd'hui, même si tu parles payer l'école à ton enfant ou à l'école publique, on peut donner 10-15 cahiers, ça ne sert à rien. Vous voyez, non Aujourd'hui, quand, vous, à quoi Parce qu'il n'y a pas les cours. Aujourd'hui, quand vous voyez eh, sur le, le, le, dans le domaine de la contestation sociale, qui est un droit que la Constitution confère aux citoyens, lorsque vous vous sentez lésé, lorsque vous pensez que quelque chose ne va pas, dans tous les pays du monde, il y a des contestations. Partez devant la Maison Blanche, devant l'Élysée, à Dakar. On a vu, on a quand même un changement. C'est pour vous dire que les contestations, on les fait. C'est vrai, lorsque il y a les, les contestations, on les quadrille par la force publique. C'est ça l'utilité de la force publique, pas pour venir empêcher à ce que les gens je voulais qu'on aborde cet autre point, on a vu un changement, euh, si on peut le dire, de, la stratégie des luttes des acteurs euh, de la société civile, notamment celui d'organiser pour la première fois un sitting le vendredi après-midi ou d'organiser une prière collective pour le dimanche. savez, et ils ont, changé de stratégie parce qu'ils savaient qu'à aucun moment, l'État ne va plus accepter aujourd'hui qu'il y ait des marches. armées et là, elle est alternatives soutien. Mm. Je, suis sûr qu'il ne me contrediront pas. Ils mm. savent aujourd'hui. À aucun moment, l'État ne va accepter où les autorités municipales ne vont accepter. Donc il faut changer de, de, Il faut qu'il y ait une stratégie. Et là encore, c'est parce que les acteurs de la société civile n'ont plus le choix. Il faut maintenir le, délai de ces deux semaines-là, sachant eh, que leur leader qui étaient écoutés, qui planifiaient les choses, qui avaient les stratégies de lutte. Aujourd'hui, euh, on peut dire quelque part que eh, les autorités ont presque réussi en décapitant la tête, parce que après les nous, les Changari, les Alidrissa, on a pris les Makelzodi et, les Jori. aujourd'hui, il y a qui La dernière fois, on a pris, il y avait même eu des petites tensions entre eux parce qu'on ne sait pas comment eh, eh, euh, euh, élaborer la stratégie de lutte alors que même au temps où les grands là étaient dehors, il y avait toujours des dissensions, mais comme ils sont expérimentés, ils se hmm. connaissent bien, ils, arrivent à, étouffer cela et ils font. Aujourd'hui, et vraiment, je l'ai dit, la mort dans l'âme, qu'il nous manque même de stratégie et au sein de la société civile pour lutter. Hmm. Et, justement, ce parce que justement, c'est pas parce que, la, comme on dit, euh, la tête a été décapitée. par exemple, vous prenez le sitting, ça c'est presque la même stratégie de lutte à Zender. On fait ça vendredi ou jeudi à l'époque. Hmm. Nous, à l'époque, quand on était au lycée de Zender, on fait la lutte le jeudi parce qu'il y avait le, le, le comme on dit. Aujourd'hui, hmm. on fait après vendredi. Pourquoi on fait après vendredi quand on sort, on fond la, foule dans la masse et la lutte pour un effet hmm. dévastateur. Hmm. Hmm. Euh, Issa Mourmadougou de la radio et télévision Ténéré, est-ce que c'est votre point de vue Mais écoutez, bon, c'est la, nouvelle, la nouvelle donne le choix de, de, changer de stratégie. c'est eux qui savent pourquoi ils le font, mais ils le savent peut-être, comme vous a dit, que je crois bien que l'autorisation euh, de manifester, euh, cela va être renvoyé. Et l'efficacité de, de, de, de, ces, de ces Non, de toutes les façons, ils, avaient... Rufai Rufai. Vous savez, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a adopté une politique d'aveugle et de sourd-mieux, je crois bien que euh, il n'y a, a, pas grand-chose à faire. Mais ils, devront continuer à le faire parce que c'est leur droit fondamental. Mais moi, ce que je, je dénonce dans cette mhm. situation, c'est la manière systématique de, restreindre les droits et les libertés de, manifestation. Et aussi la répression. On ne peut pas faire de la répression une voie vers l'apaisement ou bien la promotion de la quiétude sociale. Ce n'est pas possible. nous ne sommes pas quand même dans la jungle. Nous sommes dans une société. Nous sommes des humains. Un état de droit. Oui. Tout ceci, tout, ceci, a, une, histoire. Hein. Euh, vous savez, ce gouvernement est le seul qu'on ait connu dans ce pays, mhm. surtout de l'ère démocratique, à dire que les manifestations euh, dans, les, dans, la rue ne peuvent plus se faire les jours ouvrables. La Constitution ne dit pas cela. Et on ne comprend pas. C'est déjà, c'est-à-dire réduire les champs d'action de ceux qui veulent manifester mhm. de 2 sur 7. Mhm. Ce n'est pas normal. On a le droit de manifester. Et, à mon avis, les, les organisations de la société civile qui ont voulu manifester la nuit, c'est juste une façon d'exprimer leur, euh, leur droit, d'exprimer leur euh, liberté, mm. n'est-ce pas, de manifester quand ils veulent. Naturellement, dans tous les cas, comme je le disais, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est un pouvoir qui est à l'offensive. Ils savent que ça sera interdit. N'est-ce pas mm. Une autre fois, ils ont déposé et bravé. Mm. On sait les résultats, c'est une pile d'arrestations. N'est-ce pas et une autre fois, les gens ont demandé à 8 heures, on dit question de sécurité. Une, autre fois, en après-midi, non, on n'a pas de force pour encadrer, comme s'ils n'ont jamais encadré une marche. ils n'ont jamais de, de, force pour encadrer, mais de force pour réprimer. C'est, à dire c'est tout simplement le recul, n'est-ce pas, de la chose démocratique qu'il faut constater. Et je ah. crois que avec ce comportement, même si ce n'est pas une stratégie qui a tout de suite des résultats, au moins les observateurs et euh, au plan interne et au plan international constateront qu'il y a une restriction de liberté. Arim, terminons par euh, ce, ce, classement de Reporters sans frontières qui vient de sortir cette semaine et qui classe le Niger euh, au rang de 103e sur 180 pays classés. Et le Niger, euh, dans ce classement, recule de deux points par rapport à l'année 2017 où euh, il occupait la place de 101e. À noter que le Niger, euh, donc, néanmoins, cette année, ce qu'on peut noter sur le plan continental, c'est que le Niger se classe 11e par rapport à l'année dernière où il était 12e. Alors, Arimi, qu'est-ce quelle analyse faites-vous de, de, de Moi, je, dois d'abord dire que les déjà doivent euh, pouvoir se frotter euh, la main. Ils doivent se dire que, avec tout ce qui se passe, je trouve qu'ils euh, sont gâtés par le classement RSF. Parce que. ils sont gâtés, vous, allez. on, pu on aurait pu chuter plus. Parce que c'est pendant cette année quand même que, que, des, journalistes ont vu leur matériel arraché à plusieurs reprises, qu'on a vu des, journalistes poursuivis, qu'on a vu des, télévisions fermées, qu'on refuse d'ouvrir. Alors, ainsi de suite. C'est plein, de choses qu'on a vues, mais on n'a pas reculé. Seulement, non, mais en Afrique, la place en Afrique, l'Afrique n'est pas un exemple de respect des droits de la, de la liberté de presse ou de la liberté du journaliste. C'est-à-dire, même si tu es premier, bon, tu peux être content d'être premier, euh, c'est-à-dire vaut mieux être premier, oui, parmi, parmi les derniers, tout simplement. Hmm. Vraiment, il n'y a rien à se dire. Au plan mondial, on n'a fait que reculer, mais seulement de deux places. Moi, je pense qu'ils euh, peuvent même se frotter la main parce que je m'attendais à bien pire. À bien pire. Euh, Rufai vous, vous, vous à mieux ou à, euh, euh, Voyez-vous, moi je pense que l'Afrique c'est presque partout la même, comme l'a dit Mais regardez récemment, tu, je, vais juste faire une digression. Non, oh, non, nous n'avons plus le temps pour faire des, discrets, des Quand, vous voyez au, Sénégal le Macky Sall qui a fait arrêter son, son opposant direct parce qu'il savait qu'il allait être candidat et que c'est l'étoile montante de la politique, de la démocratie au, Sénégal, c'est presque partout la même chose en Afrique. La presse vit les, les mêmes problèmes, le manque de, de, de moyens, le manque de salaire, le manque de matériel pour travailler. Il y a des gens qui, qui, encore aujourd'hui, au 21e siècle, vont à reportage sur moto, je vous dis dans nos pays. On le voit. Euh, il suffit rien à voir avec euh, le classement. Non, euh, non. si, si, si. Attention. si, il suffit juste par exemple. Ah, L'État ah. refuse d'adopter la loi sur la publicité qui est censée, qui est censée rendre les entreprises plus hmm. Il fallait juste qu'on la convention collective interprofessionnelle qui va avec la loi sur la publicité. Les gens seront bien payés. Lorsque tu es bien payé, tu ne seras pas et, à la santé de, de tel ou tel homme politique Donc c'est pour vous dire que c'est un ensemble. Et malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est le cas partout en Afrique. Donc, comme l'a dit Arimi, lorsque tu es premier parmi les derniers, bon, donc tu ne fais aucun effort pour, pour, pour, avancer. Parce que tu es premier parmi ceux qui sont médiocres, donc je m'en fous. Donc, je pense que la, la, et, imaginez la, mauvaise publicité que, que, par exemple, l'extradition de notre ami a fait. A fait euh, Effectivement, ce point a même été cité par, ah. par, par, RSS Et on dit qu'on a, on dit qu'on n'a pas régressé. Bien. Mais à quoi joue le, le euh, comment s'appelle Reporters sans frontières. Non, ils ont quand même cité ce, ce, ce yeah, euh, ça Issa Madougou, Issa Madougou. <laughs> écoutez, c'est la même chose parce que quand vous voyez par exemple, dans le classement en Afrique, il n'y a que quatre pays qui ont pu se relever, à savoir euh, le Ghana, la, Namibie, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Mm, mm. Par exemple, quand vous prenez tous les pays du Maghreb ont régressé, ont mm. chité, karma. Donc c'est pour vous dire que la situation de la liberté de la presse et des journalistes en Afrique, comme vous l'avez dit Rufai et Arimi, c'est la même chose. ça régresse. Le Niger pour le Niger, qui recule. le, cas du Niger ne fait pas exception. C'est la même chose. Le Niger, c'est même en, par exemple, quand vous prenez le cas de... Je vous donne l'exemple de la Tanzanie. Hmm. La Tanzanie, vous savez que le président actuel a pris la décision de fermer une dizaine de radios six chaînes de télévision. Un journaliste qui faisait des investigations sur des cas de corruption a disparu comme ça. Tout le monde ne sait pas là où il est en vie ou bien il n'y a pas en vie. Mais le Niger, au moins, ça va avec tout ce qui s'est passé. On est en son troisième avec une note qui est passée l'année passée avec son TINEM, on avait 24, hmm. quelque chose. Hmm. Cette année, son troisième avec 27,40. C'est quand même le, Niger est gâté avec tout ce qui s'est passé, comme le disent les autres. Alors, quel le retient votre attention dans, ce classement des reporters sans frontières il faut qu'il y ait des efforts. Tout ce qu'ils ont dit comme, euh, euh, euh, on appelle, comme raison qui nous ont amenés à ce classement, ce qui veut dire que c'est la réalité. Mais on ne peut pas se donner librement des textes. moi, moi, on hmm. de, de Lorsque le a été dirigé par un. Robert Ménard. Par Robert Ménard. Hmm. En qui on avait fondé beaucoup d'espoir. Et il se trouve que c'est un. l'extrême droite. De l'extrême droite. Moi, je me dis, même le RSF, bon, c'est les gens des, ONG qui sont là, qui sont soutenus par, les, par, les, Mais là, nous sommes là, nous sommes là pour oh, parler du classement. Est-ce que vous, vous, voulez, vous parlez de l'ensemble vous, parlez la, de la crédibilité, de la même parfois non de, de, l'organisme. Bon, nous allons donner la parole à Arimi parce que vous avez largement parlé. Arimi Abba. Pour finir, il faut parler aussi de la crédibilité. Parfois, moi, le classement, quand on le fait, je ne Oui, tu te demandes sur la base de quoi il a été fait, quoi. Il a été fait. Parce que quand vous prenez, par exemple, au Niger, les grèves qui ont été annoncées, on classe au Niger troisième position. Et on voit, je vois des pays, par exemple, comme le, au Togo, où on les classe vraiment avec des notes qui sont. Mais attendez, hmm. c'est pas quand, même croyable. on, doit, cesser d'incriminer euh, cette organisation, n'est-ce pas, qui fait, euh, malgré. Oui, oui, oui, mais qui fait quand même euh, et qui en fait et qui continue de faire hmm. beaucoup euh, pour les journalistes et pour les médias en général. Notre ami, te plaît, notre ami, Baba pourrait être euh, par exemple pris euh, en charge par cette organisation. Ce n'est pas mauvais. Mais, est ce n'est qu'un classement. Ce n'est classement. Aujourd'hui, hmm. euh, vous allez voir, ne faisons pas comme les gens du pouvoir qui, quand ça les arrange, euh, le classement les, arrange, c'est une bonne organisation. <laughs> Vous allez voir, ils vont mm. commencer à leur jeter des fleurs. Mm-hmm. quand ce n'est pas le cas, euh, ils vont les incriminer, euh, les jeter carrément à la vindicte populaire. Bon, ce n'est qu'un classement, il faut se le dire. Et il y a plein de choses qui peuvent échapper. mais moi, je suis un peu nécessairement déçu du classement du Niger qui aurait pu être euh, moins bien classé, à mon avis. Vous devrez être content plutôt, Arimi. Que non, mais je sais que mes conditions de travail euh, ne se sont pas améliorées. Je sais que les conditions d'exercice du métier hmm. ne sont aujourd'hui, euh, au début, par exemple, de cette crise de ah, Arimi, Arimi on n'a plus le temps les journalistes allaient filmer les policiers à la porte de, de l'alternative. Fin du forum. Aujourd'hui et avant-hier, ils ne sont pas venus. Hein. Les gens ont peur de plus en plus. Bien, fin du forum de ce soir, nous étions avec Issa Madougou, journaliste à la télévision et, radio Ténéré, Arimia Bakiari à la radio alternative et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Bon début de week-end à tous. Euh, n'oubliez pas les rendez-vous des forums en Hausa ce samedi avec Mamanada et en Zarma le dimanche avec Balkis Amidou. La thématique qu'ils vous dé sera sur les Innovation dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.